14 août 2023, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Ali Moukaila Oseini Disseno La technique est assurée par Amina San, Adama Dawaki et à l'édition Seno. Bonjour, comment tu vas Bonjour, je vais bien et toi, ça va Ça va super bien, Dieu merci. Sur quoi portera notre menu d'aujourd'hui Eh bien, dans le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes alléchants pour pimenter la journée de nos fidèles auditeurs et auditrices est câblée actuellement. Nous recevons comme invité Moudi Kabirou, Il est doctorant en agronomie à l'université Abdelmoumou de Niamey. Il est également responsable en charge du suivi d'évaluation des projets à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger FACNF, désolé, FACMN NIA. Avec lui, avec lui, nous parlerons d'agronomie, plus précisément de l'impact du changement climatique sur l'agriculture au Sahel. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre notre flash d'information avec euh, Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Seno, bonjour Salamatou. Bonjour Nafi. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie entend poursuivre le président déchu pour haute trahison. Dans un communiqué hier nuit, les nouvelles autorités ont annoncé leur intention de poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum et ses complices nationaux et internationaux pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Évoquant les échanges que Bazoum a eus avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales, les militaires au pouvoir disent avoir réuni toutes les, tous les éléments nécessaires de preuve pour cette poursuite. Une délégation du CNSP conduite par le général de brigade Moussa Salou Barmou était samedi à Conakry en Guinée où elle a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia. L'objectif de cette mission est de remercier les autorités guinéennes du soutien et de la solidarité qu'ils ont exprimé au Niger et particulièrement au CNSP au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Enfin, les parlementaires de la CDAO se sont réunis en session extraordinaire virtuelle le samedi 12 août sur la situation politique au Niger. À l'issue de la rencontre, les députés communautaires se sont montrés frileux à une éventuelle intervention militaire au Niger, comme envisagé par les chefs d'État de la CDAO en cas d'échec de la voie diplomatique. Le Parlement a plutôt prôné le dialogue et la négociation avec les nouvelles autorités militaires du Niger. Dans ce cadre, les parlementaires de la CDAO ont décidé de la mise en place d'un comité de médiation et ont surtout plaidé en faveur de la levée de certaines sanctions, notamment la fermeture des frontières et la suspension de l'approvisionnement en électricité par le Nigeria qui, selon eux, font souffrir la plus les populations. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefissa pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons Moudi Kabirou. Bonjour Kabirou. Bonjour. Ça va bien Ça va. Je rappelle que vous êtes euh, responsable en charge du suivi évaluation des projets à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN NIA. Et vous êtes également doctorant en agronomie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Avec vous ce matin, nous échangerons sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture au Sahel. Mais sinon, avant de lui donner la parole, écoutons d'abord la première note musicale de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit de l'artiste Mamansani, le pianiste qui nous chante Salamatou. travel on the Shinkansen, Hiroshima. She's a graceful Venusian. She's believing on love as Mount Fujiyama. سلامة على بالي من أرمشي سمنا السلامي إيمي كنترادا سلامة ranar da Santa, non salmai baldum se idoba. Wallahi shigalaina salamatu. Wallahi birge salamatu. Salamatu, salamatu. bossa nova in Rio de Janeiro. She's a wonderful Martian. She's been exploring galaxies for centuries. Salamatu, nigakuronin boroyanam. Salamu weiborei bumbo gabegenise. Salamatu, arzakante gabegenise. I will say bind igona ke yalla gon. Et oui, Salamatou est le titre que vous écoutez actuellement de l'artiste Mamansani. Il est né en 1952 à Accra, au Ghana, d'une mère ghanienne et d'un père nigérien. Il débute la musique en 1966, alors qu'il est élève à l'école normale de Zander. Il exerce ensuite le métier d'enseignant avant de terminer sa carrière détachée euh, à l'UNESCO en, 1978, il découvre l'orgue électronique et en achète la même époque. Un ami euh, travaillant à la télévision nationale lui donne l'opportunité de travailler à la télévision pour composer euh, des indicatifs et jingles ainsi que des si euh, produire ce qui le rend célèbre. C'est aussi à cette période que son premier album Maman Sani et son orgue électronique est édité en cassette. En enregistré en deux prises au studio de la radio nationale, il n'est publié qu'à une centaine d'exemplaires. Il ne parvient pas à faire publier ses autres enregistrements. Tout en conservant son métier d'origine, il se produit occasionnellement lors des événements familiaux. Exactement en 2008-2009, lors des recherches aux archives musicales du musée de Niamey, le musicien et producteur américain Christophe Curley écoute ce premier disque et décide de le republier sur son label Sahel Sound en, en 2013. D'autres enregistrements restés inédits euh, sont ensuite édités par le même label et il se produit en Europe, notamment en France, en Espagne et en Italie. Il vit actuellement à Niamey. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là l'artiste Maman Sani avec le titre Salamatu. Nous osons espérer que vous avez ah, bien, aimé. Bien sûr, c'est nous. <laughs> Et <laughs> on, espère aussi que nos euh, auditeurs sont bien installés. À présent, on se tourne vers notre invité du jour. Il s'agit bien de Monsieur Moody. Euh, je rappelle qu'il est le responsable suivi et évaluation du projet, euh, euh, du, voilà, du, du, projet euh, FCMN NIA au Niger. Il est également doctorant à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et avec vous, nous allons échanger sur le changement climatique. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est le changement climatique Bien, c'est nous, merci. salamadou bonjour. Bonjour. donc, tel que vous l'avez bien dit, je suis Moudi où je suis en charge du suivi et évaluation des projets au niveau de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Et je suis en même temps sur le domaine de la recherche pour parler que je suis un doctorant au niveau de la faculté d'agronomie de l'Université Abdou de Niamey. Mhm. On parlait un peu de la thématique qui porte sur les changements climatiques. Il me plaît de diffier un peu les auditeurs mhm. sur ce que c'est que les changements climatiques d'abord de mm. façon brève et succincte. Dans les changements climatiques, en fait, il s'agit de la modification mm-hmm. ou bien de la variabilité climatique. Mm-hmm. Donc, euh, qui parle de la variabilité climatique parle du changement. Mm-hmm. Donc, c'est ces changements-là qu'on observe au niveau de la planète Terre. Mm. Et ces changements-là, il est généralement accompagné il est généralement accompagné avec une augmentation conséquente de la concentration des gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Mhm. Et ces changements-là aussi sont suivis avec euh, ou sont causés des activités humaines, qui est ici au niveau de la planète Terre, nous sommes en train d'exercer un certain nombre d'activités qui contribuent en tout cas de façon conséquente à cette question du changement climatique. Donc pour dire que l'homme d'abord est le principal acteur du changement climatique. Ok. Et comment le changement climatique euh, affecte-t-il les schémas, les schémas des précipitations au Sahel et quelles sont les conséquences pour l'agriculture Effectivement, les changements climatiques euh, affectent la question de la pluviométrie, mhm. qui part de la précipitation, part de la pluviométrie. Euh, pour ne pas parler agronomique. <laughs> Donc, euh, généralement, chers auditeurs, ils connaissent beaucoup plus la pluviométrie. cette question de pluviométrie est affectée par les changements climatiques parce qu'aujourd'hui, vous constatez autant que moi que la pluie est mal répartie dans l'espace et dans les temps. Mhm quand on prend par exemple la région du Niger ou le pays comme le Niger, mhm. on savait qu'à partir du mois de mai-juin, on assiste à, une pluie mhm. abondante ou une pluie utile. Mhm. D'un point de vue agronomique, quand on parle de pluie utile, c'est une pluie qui permet aux producteurs de s'aimer. Donc, à partir de mai-juin, on sait pertinemment que c'est la pluie. Mais avec les changements climatiques, vous voyez, aujourd'hui, c'est jusqu'en juin, jusqu'en juillet. Moi, dernièrement, j'avais effectué une mission vers la région, vers la région de Dosso, précisément vers Gaïa, mm. où on sait que le climat est favorable, pour l'installation de la pluviométrie à temps, juin. Mm-hmm. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Donc, pour dire que dans une même région, on peut assister à deux situations. D'autres vont avoir la pluie tardive et d'autres vont avoir une pluie précoce. Hmm. Dans une même région, dans une même localité, dans un même euh, village, vous pouvez voir à l'est, elle peut prévoir, alors qu'au nord, elle peut. Ou bien avec des voisins différents. Vous voyez, si par exemple, moi, je suis un voisin à Monsieur X, je peux avoir la pluie dans mon champ, je peux s'aimer pendant que l'autre monsieur, lui, il est en train d'attendre. Mais dans l'ancien temps, on ne connaît pas tout ça là. Quand il pleut, il pleut de façon générale et plus ou moins homogène. Mais cette fois, si ce n'est pas le cas. Alors, Et, Ok, d'accord, c'est pas pour euh, vous couper la parole. Alors, dites-nous quels sont les risques spécifiques pour euh, les cultures principalement euh, de la région en, raison de, l'augmentation des températures et des, des sécheresses. Mais bien sûr, il y a des risques. Notamment sur les cultures principales. Parce que quand vous prenez certaines cultures, elles ne sont pas résistantes. Mhm à des couches de sécheresse. Par exemple, quand vous prenez une culture, notamment par exemple l'amarante, mhm. que nous cultivons nous au niveau de la Fédération de coopérative des maraîchers du Niger, mhm. l'amarante est une culture qui ne résiste pas du tout à la question de sécheresse. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que les cultures, par exemple, surtout principales, elles sont en train d'être attaquées. Mm-hmm. Et ces attaques-là sont dues à des sécheresses, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. Ou bien dans certains cas, on a des situations où ces cultures principales-là sont en train de disparaître parce qu'ils n'arrivent pas à résister à une certaine situation de sécheresse, donc ils seront appelés à disparaître. Ou bien, ils vont pas ils vont, c'est vrai, euh, on va les semer, ils vont germer, ils vont commencer à développer, mais avec le temps, ils vont mourir parce qu'il n'y a plus de... Maintenant, ce qui est normal, peut-être, c'est de trouver des variétés un peu plus résistantes aux sécheresses, hmm. etc. Il y a des conditions, peut-être, dans les échanges, si vous permettez, on va développer. Il n'y a pas de souci. Alors, <laughs> voilà. Avant, avant de continuer nos échanges, euh, nous allons souffler encore une fois de plus en musique. Et cette fois-ci, ça sera avec... Euh, L'artiste euh, Senimega. Senimega. Qui nous chante Dosa. Dosa. On y va. dasana baba buraima yari yaro aje kurinya dasana sokwata poize parmateza ni daga bu daga pe balite yaro Dosa est le son que vous êtes en train de savourer avec euh, l'artiste Saini Mega Antara dit Saini est un artiste nigérien, il est chanteur et compositeur. Et eh oui, Salamantou, il a débuté sa carrière musicale en 1993 au sein du groupe Waka Bana. Euh, qu'il quitte pour rejoindre le groupe Anashua Tal National. En 2011, Senimega crée son propre groupe dénommé Mourna. Il anime les mariages et les baptêmes dans la capitale Niamey. Voilà, c'était Mega, cher auditeur. On poursuit notre échange avec euh, Monsieur Moudi Kabiru. Alors, Monsieur Moudi, dites-nous comment euh, la désertification euh, influence-t-elle la disponibilité des terres cultivables et comment les agriculteurs s'adaptent-ils à cette situation Merci, Monsieur Sono. Je pense qu'on n'a pas le temps, sinon j'allais revenir pour un peu expliquer ce que c'est que la désertification d'abord avant de montrer <laughs> son affectation sur les terres agricoles. Mais il faut tout simplement retenir que la désertification est une, situation qui permet le retrait mhm. d'un certain élément mhm. nutritif du sol, ça arrive à les balayer parce qu'il n'y a pas la disponibilité en matière organique. Ça veut dire que les vents a toutes les chances de, de pouvoir venir et racler tout. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas cette matière organique, il n'y a pas des arbres, il n'y a rien. Mm-hmm. Et nous, ce que nous sommes en train de faire, nous recommandons généralement aux producteurs de mhm. mettre ce qu'on appelle les haies. Donc les haies vivent ou bien des, faire des associations culturelles, etc. etc. Mhm. Donc euh, cette question de désertification, j'ai dit, dit tout à l'heure que ça fait retirer les éléments nutritifs du sol, mais euh, aussi ça augmente mhm. l'acidité du sol en dehors de la question de l'acidité du sol, on a mm. aussi la question des baisses des rendements agricoles. Mm-hmm. Tu peux cultiver, par exemple, 10 hectares, mm. mais quand il n'y a pas cette question de désertification, lorsque tu cultives un hectare, tu vas voir que ton rendement est plus important par rapport à celui qui cultive jusqu'à 10 hectares. Mm. Mais pour y remédier, à cette question de désertification, aujourd'hui, nous recommandons à la population, surtout les producteurs qui sont nos cibles, mhm. de planter des arbres et de les entretenir. Plantation d'arbres. Et de les entretenir. Et aussi de passer à la question de l'agroécologie, la pratique agroécologique, même si ça va être de façon transitoire, ce n'est pas tout de suite, mhm. mais c'est extrêmement important d'aller vers cette question de transition agroécologique parce mhm. qu'aujourd'hui, nous, à la Fédération des coopératives des marais, du Niger, c'est ce que nous développons. C'est ce que nous développons comme pratique pour pouvoir aider les producteurs euh, pour remédier à toutes euh, ces questions de désertification et de baisse des rendements et de fertilité des sols. D'accord, Monsieur Moudi, quels sont les efforts de recherche et de développement en cours pour trouver des variétés de cultures plus résistantes et adaptées aux conditions climatiques euh, changeantes au Sahel effectivement, il y a des solutions que la recherche est en train de trouver mhm. face à toutes ces questions. Par exemple, vous savez, la recherche, elle s'effectue sur plusieurs niveaux. Au niveau du développement, tel que vous l'avez dit, mhm. il y a ce qu'on appelle la recherche appliquée. Mais au niveau des universités, il y a la recherche en tant que telle. Par exemple, au niveau de la Fédération des coopératives des maraîchers du Niger, mhm. nous mettons en place ce qu'on appelle des champs-écoles paysans, Et c'est une stratégie qui date de longtemps. Mhm. Nous faisons ce qu'on appelle les champs-écoles paysannes où nous réunissons un certain nombre de populations, producteurs, nous les expliquons de façon pertinente les activités qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir pallier à un certain nombre de problèmes. Nous avons des essais agronomiques, mhm. nous avons des démoplotes et cette recherche-là, nous l'appliquons de façon plus large. Par exemple, si nous prenons un village X et on constate que cette pratique-là qu'on a essayé a très bien marché, mhm. et après nous faisons les activités de vulgarisation pour qu'on n'arrive à toucher un grand nombre de producteurs au Niger. Donc au niveau de la recherche, c'est la multiplication. Mhm. La multiplication permet de trouver des bonnes variétés qui sont plus résistantes, qui ont un bon goût et qui sont précoces qui ne durent pas longtemps parce que c'est cette question des changements climatiques, il faut avoir des variétés qui sont résistantes, qui ont des bons goûts mhm. et qui ne durent pas longtemps. Pas plus de par exemple 45 jours. Nous avons des variétés 10 de l'arachide, etc., etc., que nous faisons, sur avec lesquelles nous faisons des essais. Si on constate que ça marche très bien, donc on vulgarise. Merci euh, infiniment, Monsieur Moody, euh, de nous avoir euh, non seulement honoré de votre présence dans cette émission, mais aussi d'avoir répondu à nos questions. Alors, on espère quand même vous retrouver euh, prochainement, hein. <laughs> pour euh, euh, plus de détails par rapport à cette question de changement climatique. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit, mais cette fois-ci avec notre rubrique hebdo qui porte aujourd'hui sur la cybercriminalité. Elle est l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moins ou sur réseau de communication ou système d'information. Quel est l'objectif de la loi portant répression de la cybercriminalité dans la diffusion des informations et quelles sont les expressions autorisées Ouattara Abou Karnou, chef du projet Adelsi, donne des précisions au micro de Rafika Attar. Quel est l'objectif de la législation sur la cybercriminalité La législation sur la cybercriminalité vise généralement à traiter un large éventail de contenus illégaux et préjudiciables publiés en ligne. Il peut s'agir de propagande terroriste, de contenus racistes, de discours de haine, de contenus sexuellement explicites comme la pornographie enfantine, de contenus blasphématoire, de contenu critique envers les États et leurs institutions, et de contenu non, non autorisé par les détenteurs de droits et propriétés intellectuelles. C'est souvent le domaine dans lequel ces législations sont le plus en conflit avec le droit et la liberté d'expression et le droit de l'information. Quelles sont les expressions interdites de la diffusion des informations En 2011, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'expression a déclaré que les seuls types d'expression que les États peuvent interdire en vertu du droit international sont la pornographie enfantine, l'incitation directe et publique à commettre un génocide, le discours de haine, la diffamation, l'incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence. Même la législation qui criminalise ces formes d'expression doit être précise, comporter des garanties adéquates et efficaces contre les abus ou les détournements et prévoit un contrôle et une révision par un tribunal ou, une, ou un organisme de régulation, de réglementation indépendant et impartial. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire faisant un autre tour musical avec ce titre Bouteliko du feu, du feu Dominique Coué. chez les savis, qui vend, ensuite vendre moi chez de catacos. Il a 100% de savoir, 100% de paix. Depuis temps ici, développé son métier. J'ai connu un gars qui était bouté le coyot, mais aujourd'hui il est devenu mené le coyot. Il est bourré d'argent, ce mec-là, je vous le dis. Et tout simplement parce qu'il a été, été. pour heureux dans ce monde. On voit ce que je veux dire par là, mes amis. Et si je vous parle de ce cas-là aujourd'hui, c'est simplement pour appeler à une personne. Il n'y a pas de ce métier dans ce monde-là. Parce que personne n'est à l'abri de la pauvreté. Donc, un peu de ou aussi de modestie. Pouvoir éviter le poumon de ce monde. Moi, je pourrais devenir un bouteille de coyot. Vous aussi, vous pourrez devenir des bouteilles de coyot. La décision appartient à un homme tout puissant. Parce que personne ne sait ce que la vie lui réserve. Donc, un peu de ou aussi de modestie. Pour pouvoir éviter le poumon de ce monde. monde. fois et tu te le prends de ce ko monde, monde, monde, monde, monde. ko sako, utalokoyo, utaliko sako, utalokoyo, utaliko sako, utalokoyo, ko seidawa, utalokoyo, utaliko sako, utalokoyo, ko sako, utalokoyo, utaliko yo utalokoyo, namai seidawa. Ni ina iya zama wani yo kuma ko iya zama wasu yo. dan babo karamin aiki a duniya ga wanda bayar da ba ya san abu haka zama a shikun mutum ya kamata mai da kashe kasa saboda duniya ga babu muka yi ta ba balle mu tashi mu ce ga abin da zamu zama zama Et oui, Bouteli Koyo euh, est l'un des, des, anciennes chansons phares de la génération 90. Ce titre avait euh, fait un carton sur les ondes de la radio et télévision du Niger. Cette chanson décrit euh, à juste titre une activité commerciale très pratiquée à l'époque par les jeunes. Cette dernière consistait à faire l'achat et la revente des produits recyclables, notamment les bouteilles vides de boissons et des parfums et les bidons vides d'huile etcétera. Voilà, chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, direction le manga pour l'écho des régions, n'est-ce pas, Salamatou Oui, c'est nous. L'utilisation de l'encens est une coutume ancrée dans les traditions kanuri. Il est très apprécié chez les femmes comme chez, comme chez les hommes. C'est aussi une aubaine de commerce chez les femmes et chez les femmes de cette communauté. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant depuis Difa, Gidi Abdraman. L'encens fait partie de la culture canori. Il est très considéré, surtout dans les foyers de mariés. Pour savoir son importance, Hajia Fanna, une femme qui utilise toujours l'encens, nous donne des explications. hankalin mutum zuwa ga wanda ya yi turaren shi yasa yawanci ma al'adance kuma da addinance ma turaren wuta mace ce wanda take da zama take zaune a gida ita take yin shi don ta janyo hankalin mijinta kuma don ta nisantar da kanta zuwa ga wasu abubuwa kazanta ko kuma abin da kake shakan shi da wari hakanan dai yana nisantar wari turaren wuta al'ada ne na bare-bare kam mai kyau ne masha Allah. Fatima Adamu in Vandes Dansan explique les différents types dansan. Turaren wutan ba kala ɗaya bane ba kala kala ne akwai wanda ake turara a jiki kuma akwai wanda ake turarawa a kaya kuma akwai wanda ake turarawa a ɗaki kuma akwai wanda ake shafawa a jiki akwai sandal akwai al'ud akwai mai maka akwai sandal filair akwai sandal haka akwai durus akwai hawi akwai tafarce akwai farce akwai humra akwai wayewa shi turaren wuta da yawa ne gaskiya shi wanda ya san turaren wuta kuma wanda ya saba turaren wuta in bai yi turaren wuta ba zai zama ba toujours pour Fatima Adamu la vente d'encens est un atout car elle arrive à subvenir à ses besoins sana'a ta turaren wuta yanzu ya kai shekara bakwai ke. kuma gaskiya sana'a ta turaren wuta ita sana'a ce mai inganci gaskiya saboda ni na ta yi farmasiyon ma akan turaren wutan nan na dan gwaggwada wa mutane yadda ake yin turaren wutan ni nake haɗa shi da kaina ni nake sarrafa shi ba nan kaɗai nake sai da turaren wuta na ba har zandar ina zuwa agaris ina kai turaren wuta kuma akwai wasu mata da suke zuwa suna zuwa suna yin sarin turaren wutan saboda su ma su je su saida mu turaren wutan ne yanzu shine komi shi da shi muke alfahari ma shine komi a gare mu yanzu in muka yi turaren wuta har wasu mata suke ana mallakan miji a je wajen malam a je wajen waya wannan ba mu turaren wuta ne kadan shine mallakan mu Ari malam un chef de famille a souligné que l'encens est important dans la vie surtout conjugale de par son caractère esthétique turaren wuta kaman ana sa ne domin kyautatawa ko wani abu na tsafta ne wanda kuma ba ta saka kuma kin ga ba ta da tsafta ne kawai dan tsafta ne ake sa turare wuta ai ko alayin ka ga mun turare wuta in ka ji za ka ji daɗi al'adar bare bare ne cette tradition kanuri est devenu populaire dans tout le Niger et de nombreuses femmes l'utilisent pour l'honneur de leur foyer et pour acquérir un statut aux yeux de leur mari le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, c'était là le reportage signé Guidi Abdourahman depuis DIFA. Chers auditeurs, à présent, accueillons notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit bien de Adam Sariou. Adam, bonjour. Bonjour Seno. Adam, bonjour. Bonjour Salamatou. Débutons cette page d'espoir à Ingimi dans la région de DIFA où les jeunes footballeurs se plaignent du dysfonctionnement de la Ligue de foot oui, mais aussi la non-implication des jeunes filles dans les activités sportives. Écoutons la réaction de quelques jeunes de la région de Difa au micro de notre correspondant Abdoulaye Mena. zamani ya ci gaba duniya sai da matasa kenan komi ya kamata a ce ana damawa da mu matasa saboda in komi a ce kullum an sai ne za ka a saka wajen ya ci yau ya ci gobe ya kamata a canza shi a sa matashi a wajen tunda ana so a ci gaba wajen lig lig wannan yanzu deja lig wannan tun yaushe ya riga da ya kare babu labarin shi deja yanzu manya ne kawai a ciki babu matasa ya kamata mu ma matasa tunda muna so muna da kishin abin ya kamata a zanki samu ana damawa tare da mu ana bukatan sauyi a bangaren lig lig wani tjb wannan gaskiya bu mu gane komai sai dai in ce maka mu bangaren mu shiru ne gaskiya muna tafiya dai muna wahala kurma kawai masu abu su suke cinye kansu gaskiya kalubalen da muke fuskanta a game da motsa jiki babban kalubale ne saboda ba a dama da mata sai dai maza kawai su je su yi dama abin da za su dama mu ma muna da haƙƙin da za mu fito mu motsa jiki saboda motsa jiki na ba hau maza kaɗai aka ce su motsa jiki ba mu nan wurin jihar mu ta difa garin gegime ba mu da wannan damar da za mu tashi mu matasa mata mu fita mu ce za mu ta yi balo babu ko biro nan da ake wa na yan balo babu na mata Voilà, Adam, on revient toujours euh, avec le sport cette fois-ci. Euh, présent, c'est nous de la coupe. On va parler de la coupe du monde féminine de football où on connaît les quatre équipes qualifiées en demi-finale. Eh bien oui, il s'agit de l'Espagne qui affrontera la Suède demain et l'Australie, pays organisateur, qui sera opposé à l'Angleterre le mercredi 16 août 2023. La finale est prévue le dimanche 20 août. C'est la fin de cette chronique. À bientôt pour un autre numéro. Merci Adam pour euh, toutes ces informations sportives. Oui, Adam, merci beaucoup. Adam, place à présent à notre portrait du jour où on va parler de la danse contemporaine. Du haut de ses 21 ans, Rachida Amadou Bello est chef d'entreprise culturelle depuis deux ans. Elle est aussi danseuse contemporaine, conteuse et islameuse. La fibre de la danse lui a été transmise par ses parents et à son tour, elle forme d'autres jeunes pour que vivent cette culture. Découvrons la, découvrons la dans ce reportage de Mohamed Maman. Mordue de danse depuis l'âge de 7 ans, Rachida Amadou Bello est une jeune fille qui utilise la danse, le conte, un mot l'art pour transmettre des messages. Elle dit être inspirée par sa maman. En fait, c'est la maman qui m'a poussée à plus aimer la culture parce qu'elle aussi, elle était une femme de culture. Vraiment, je trouvais ça très important parce que quand même, elle arrive à transmettre des messages et à sensibiliser la population. Donc vraiment, après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose qu'elle Et après, quand je suis rentrée dans la chose, je pensais que c'est seulement pour sensibiliser. Mais dès que j'étais rentrée, j'ai compris que aussi ça aide personnellement la personne à évoluer, à développer sa personne elle-même. Et vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant. Rachida, avec sa troupe, se sont produites un peu partout à Maradi et même à l'extérieur pour véhiculer des messages forts. Pour elle, les messages sur le mariage des enfants, des droits des enfants et d'autres thématiques d'actualité composent ces spectacles. Je me rappelle, on était parti dans un village, on a fait un sketch sur le mariage précoce. La dame, après, elle nous a retrouvés pour dire c'est comme si vous étiez en train de m'insulter. Je m'étais sentie vraiment Fixée. Je l'ai dit que bon, c'est une manière de sensibiliser les gens. Si vraiment vous vous sentez fixé, essayez de corriger. Elle était même en voie de marier une de ses filles. Maintenant, après, vraiment, elle a cessé. Et elle était même devenue comme nous, parce qu'après, elle passait aussi le message. Et dans son village. La jeune fille milite dans des associations de jeunesse. Ce contact lui crée l'opportunité de partager sa passion et son savoir-faire. J'appartiens à plusieurs structures des jeunes. Donc, euh, on forme des jeunes pour être des leaders, si on peut le dire. Exemple, comment parler devant un public, comment vraiment maîtriser son stress et tout. Maintenant, vraiment, avec ça, j'arrive à former ces jeunes-là à être des vrais leaders. J'ai encadré, nom d'un projet, j'étais encadreur dans le domaine de théâtre. Là aussi, j'ai formé plus de 30 personnes, 30 jeunes. Les jeunes-là, certains parmi eux-là, vraiment, ils ont même des entreprises culturelles. La culture est en elle. C'est pourquoi la jeune fille a créé son entreprise Ma Voix Porte et justement, sa voix doit continuer de porter loin des messages de conscientisation de la jeunesse nigérienne. Voilà, c'était là le portrait du jour. Merci infiniment à Mohamed pour euh, ce portrait instructif. Alors, nous poursuivons euh, avec de la musique et cette fois-ci, nous allons écouter Alous et le Goumbé Star qui nous chante Burado ». Toyota, no No. C'était Alous et le Goumbe Star. Euh, faisons place maintenant aux femmes du studio Kalangu pour le loti qui parle du contrôle parental. Exactement, euh, la télévision est l'un des passe-temps préférés euh, des enfants. Cependant, les parents doivent superviser et contrôler assez souvent les programmes que les enfants suivent et ne pas les laisser devant la télévision à, à longueur de journée. Salamatou Kadri, vous-même, et avec Aminata Boubacar. On écoute. Hi <laughs> Samira, t'es là de nouveau, c'est wasi wasi. eni mir ka bani bafuna din kurtela ganda noni ni gate chiri zari sifunu wat kurtele gunen ir ko awasa salamu alaikum hey mamu bani kan go so bai kat ko ciyo ga yakini ai go hal window mi ai go manisi wal bai na ga bogai sai non go sala ai duwano buli zan kai wo dai no ba ga ya lomoro jagendi hai kunni si ga hansa window ra kal tele gunen ba dai bora ka ga kagun wari keke han foyan bora stun television wo maga gundai gidi ai kwar samira hai kagi hima niga ne mu zugantaize kaldaini mi hin sugu zamani zan kai wani singi gangi tele guniyan fa to guni me ba ni ga ba ni mi don ton buti kodo hadde mun tun tungu ko ga tele ko mon doka ikan bairano wannim tela wi dai kota kota isi ma ni se a ya dinga mamu nim da bari bar mai zam tele wo da ba gumo a ga hinga kan di sandai bora ga han n'o do haga son ka binde zan kai wani bafuna do hari ha babuli ya dinga ni go faman da sai ka ga hinga bora di wala ma danandi ni lakkalo kanandi mamu dan matkan be gai ko nay won ki dafa ag hinga kande sandai iwan bafuna do haga sonk binde kina do haga da mo zankai kalai do haga kan yan manto giri hinza ifo no ni gogo faman dai sai koi ne mahangana bor koi ne mamu furta jai do haga wo nigidi tela gunyan wodin da bagumu agi kabin bu in poi fora inga chalega wa to kulin gai hinne isi ba fa ka gai modin gai wan haigaye gi himanda da mo koi ne iwan chawo isati ambuge ingai wa haikan nisa kullu daigati tela din yau oho nigi buli zamai kwara samira da chat hal composition wodin ga aga bisa ai go gai bon ha bo hai kan doko tuyo ha ni woni mbono ni izo dan tele gunyan yaki ne ni ma ga cinga fa kare dano wal mo manan am ko a wancal wanda yayi do im cinga forai son ni go man dai se kan ya dinga wani masal bambata no ai kan me kalba television wadi no ganan amu furca laiji ne zama han fuan da ka ginga faransi ci ne ban bata fuan ta se ai wo ai si ba mai ka ga nai se han foya a dai kan son woni ni bai dini bombun boda ni hima ga da bar samuwa wasi ai wo han foyan ai kwara aina telawi ai wan izo ismail a kafurai se fura da futai da katikatiyan haikan sai na telawi abin da lokacin kina a kaksaban kan a wani hasai lokacin fugai kwara inga dai nuna ino ya marya matkai himagati abin so son zan kai dai walla alhamdulillah igin gai foraite fam stugin se chogo idon nuga bagai wana kobai vitare bagu da baliyan <laughs> nde mataloni te faman dai sai mai buli he son kunnoni na hanya hannu te ni bonse gina ni izai kaso bai gugwar tila gini duba ga hamzin yan diyan nan gu kwande hadda si. aga bisa ibon ai ga fer tonton iga han bano mu gubori son daboro kul goni se ingono ni go ga faida im diga kati ka tai bonse yakin cine han fo kalai bino mu koi kai patiga funga kan ai mu buyi mu koi ga sambu furu de son ai kwar samira wa ga hanga nai se mu a ya dinga mamu ka deni min zaka hau gubori har dai duk kociya manto to jiri hinza masta am tele ba a to mo ka a himga tela gune ma bai si jir a himga gun tela ga da mo lokaci kan a himga dan si jiro gun yan oga danga dai bisa gugu hinka yan cinno ya nimcin ga lakkal da mu ga gun gadi tela ganda ni kan buwa do haka zami ga dan jiri mar kan cinno bora himga si jiga din guni amman ban kwai ne din si ba mu amsi jir fo gune nigi hinga kwadi da ngaga kan ga na ngam sa gune wankan si gine control parental nu ya ah buli wo kan yi ga hantum ganda kan go kurkuto da raki ga dan bore kan manto jiru wai go koi jiru wai cin da hinka filmai ganda ai mu go kai bon ha fo sai ni go gadan ai si bai me haifo bore kan yan manto jiru wakin idu da jiru wakin da boda i wanai gono amma da halka son i manto wadin gabo aha son nai faham buli son dai faham gaba internet to bumbo ai go hinga su bana sai hai ka ga hinga te abun wala son kunno ni faham mamu to ai man ne wo kai samira a ga ga yarda amma dai nimsta dai aminga wani kwasa din dangin mu dabal hey buli na nai fun fa ba zahun kuna inga nai gice ciga masalawo banza ai sihin walla ai zai mu tai sai tugga windowa ha to a ga bisa Voilà, c'était là le loti du desk femme du studio Kalangu. Suivons à présent Jackie pour la culture linguistique le mot du jour est ONG. Bonjour et bienvenue. Le mot anglais d'aujourd'hui sera une traduction du mot ONG. Mais avant de faire tout cela, commençons par discuter de ce que signifie ONG en français même. Parce que c'est un mot que nous entendons souvent, mais tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc ONG, en fait, c'est un acronyme, c'est-à-dire c'est la version abrégée ou raccourcie d'un nom. Le O signifie organisation et le N et le G signifient non gouvernemental. Organisation non gouvernementale, ONG. Qu'est-ce que c'est un ONG C'est une association ou groupement de la société civile ou d'intérêt public. Et en anglais, in English, c'est NGO, Non-Governmental Organization. NGO, Non-Governmental Organization. Et au Niger, il y en a plein des ONG. In Niger, there are many NGOs. Donc il y a des ONG internationales, international NGOs, comme MSF, acronyme pour Médecins sans frontières, ou IRC, acronyme pour International Rescue Committee. Et bien sûr, en plus des International NGOs, il y a des ONG locales, Local NGOs. Local NGOs. C'est-à-dire des ONG qui sont des structures nigériennes qui travaillent au Niger, plutôt que des ONG à l'international. International non-governmental organizations, INGOs, and local non-governmental organizations, local NGOs. Et le but de ces organisations, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais en général, c'est d'être vraiment de utilité publique. Beaucoup de ces ONG, par exemple, travaillent dans l'action humanitaire, humanitarian action. Ils répondent aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux épidémies, etc. il y en a aussi qui travaillent à plus long terme dans le développement. Development. Par exemple, l'éducation, santé, droits de l'homme, etc. Voilà, local NGOs and international NGOs for humanitarian action and development. NGO, that was today's English word. Merci Jackie pour ces éclaircissements. Chers auditeurs et auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète au 82 89 89 64. Exact. Alors, Sali, écoutons une dernière musique ensemble avant de se dire au revoir. Et il s'agit du titre Beidoudou de la formation Soga. auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu, Vous étiez en compagnie de Salamassou Kadri et de Ali Ousseini nous Le rendez-vous est pris pour demain. La technique était assurée par Amina Adam Danwaki et à l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao.